mars 2024. Journée internationale des droits de la femme. Semaine spéciale sur Studio Kalango. Investir en faveur des femmes. Accélérer les rythmes. Nous ouvrons nos micros aux hommes et aux femmes concernés. Du 4 au 10 mars, suivez nos forums à partir de 18h15 Investir en faveur des femmes. Accélérer le rythme. Studio Kalangu au rythme du Niger. 8 mars 2024, bonne fête à toutes les femmes du monde. Bonjour à vous, chers auditrices et auditeurs. C'est un plaisir de vous accompagner dans cette émission Le Niger sur Kalangu de ce vendredi 8 mars 2023. Une émission co-animée par moi-même, Rabia Meikano et Salamatou Kadri. La technique est assurée par Mustapha Ayouba et à l'édition, nous avons Rahila Soumana. Bonjour Salamatou, en forme ce matin Ça va bien, Rabi, Dieu merci. Et toi, ça va de ton côté Alhamdulillah, tout roule. Tranquille alors qu'avons-nous au menu ce matin Eh bien ce matin, comme d'habitude, il y aura le flash d'information, la revue de la presse, nous irons à Tawa pour la rubrique écho des régions et la musique 100% nigérienne dédiée à la femme naturellement. Et dans cette édition spéciale 8 mars, les femmes sont à l'honneur dans l'entretien du jour. Voilà. Nous recevrons euh, sous peu Madame Souley Mariama Gambo. Elle est présidente du groupement féminin Madame Masudubara, ou Femmes ingénieuses en français. Son parcours au sein de cette structure sera au cœur de nos échanges. C'est parti pour une heure d'information et de détente. Chers auditeurs, c'est avec le flash d'information que nous ouvrons cette émission. Il nous est proposé par Rukayatou Abdraman. Bonjour Rukaya. Bonjour Rukaya. Bonjour Salamatou. Bonjour Rabi. Quelles sont les nouvelles Rukaya Aujourd'hui, vendredi 8 mars 2024, c'est la journée internationale des droits de la femme avec pour thème Investir en faveur des femmes accélérer le rythme. Le Niger commémore cette 68e édition sous le thème Entrepreneuriat féminin, l'évier d'un développement durable de Niger souverain. Notons que cette journée a été proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies à l'occasion de la décennie de la femme en 1975 pour marquer les marches historiques des femmes organisées en mars 1907 euh, et 1908 pour revendiquer leur droit au suffrage universel. Ensuite, création d'une force conjointe opérationnelle. Très bientôt, c'est la décision prise par les chefs d'état-major de l'Alliance des États du Sahel, AES, lors de leur première réunion tenue le mercredi. Le chef d'état-major des armées du Niger a indiqué qu'ils sont parvenus à élaborer un concept opérationnel permettant d'atteindre les objectifs en matière de défense et de sécurité assignés par les plus hautes autorités des États de l'Alliance en prélude à la compétition de lutte traditionnelle dénommée tournoi de la sauvegarde de la patrie et de la coupe du président du CNSP, chef de l'État, le ministère de la Jeunesse, des Sports, des Arts et de la Culture, le colonel-major Abdrahman Amadou, entreprend une série de visites dans les structures régionales sportives et culturelles. L'objectif de ces visites est de constater les conditions de fonctionnement de ces structures. Et c'est tout pour ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci bien, Rukayatou. À bientôt, comme annoncé à l'entame de notre euh, de cette émission, nous attendons sous peu Madame Souley Maria Magambo, elle est présidente du groupement féminin Mata Masoudoubara et membre de plusieurs autres réseaux nationaux et internationaux qui traitent des causes féminines. Mais avant euh, Salamatou, allons en musique. Oui, bien sûr, Rabi, allons en musique avec la première musique de notre sélection d'aujourd'hui. Le titre, c'est Webordengue du groupe So Niger, c'est pour vous. Webordangi signifie femme battante du groupe So Niger. qui signifie femme battante du groupe So Niger que vous êtes en train d'écouter. Ce collectif est un groupement artistique composé de huit jeunes femmes, toutes des artistes nigériennes. Elles ont pour objectif de contribuer à la valorisation de la femme nigérienne et les initiatives d'émancipation en sa faveur. da webo zanga da jingare kasin lima haifo wai basu baturara kanai haifo mata mata mata mata ai muni adon dari ai ne basu ba basu ba hey C'était le titre Webordangui, naturellement un titre qu'on dédie à toutes les femmes du studio Kalangu qui sont à pied d'œuvre. Voilà pour la réalisation de cette émission et à toutes les autres qui nous écoutent cette émission. Et c'est ce titre également qui annonce la revue de la presse qui sera présentée par Rafika Attaher. Bonjour Rafika. Bonjour les filles, comment vous allez Ça va bien. Tout d'abord, je souhaite une excellente journée à toutes les femmes. Alors, Rafika, dans l'actualité de la semaine, c'est euh, guerre sans fin contre un ennemi invisible et impitoyable, les forces de l'AES à l'épreuve des attaques terroristes. Selon l'enquêteur dans sa parution du 7 mars 2024. Effectivement, sept chauffeurs et apprentis tués froidement et cette camion-citerne incendiés, c'est le bilan d'une attaque perpétrée par des hommes armés à moto le 3 mars 2024 entre Congo-Tiré et Koutougou, à une trentaine de kilomètres de Ayuru. Rappelons que le 29 janvier dernier, des camions de marchandises diverses en provenance du port via le Burkina Faso ont connu le même sort dans les environs de Terra, sans omettre que la police position de l'armée malienne a essuyé une attaque terroriste au niveau du poste frontalier de la Bezanga, cercle d'Ansongo. C'est dans ce contexte que s'est tenue la toute première réunion des chefs d'état-major des armées des pays membres de l'AES le 6 mars 2024. De cette rencontre ressort la mise en place d'une force conjointe pour assurer efficacement la sécurisation des territoires de l'AES. Bénin-Niger vers une réouverture de la frontière, le nouveau républicain, parution du 7 mars 2024. D'après le journal des compatriotes pense qu'on ne doit en aucune manière reprendre les échanges économiques avec le Bénin à la suite de la levée partielle des sanctions de la CDAO contre le Niger et se disent hostiles à la réouverture des frontières. Ils estiment que le Niger doit rendre la monnaie de la pièce aux autorités béninoises en maintenant les frontières nigériennes fermées car selon eux, les autorités béninoises ont causé de graves préjudices pendant des mois en fermant systématiquement leurs frontières. En amont, dans l'inquiéteur du mercredi 6 mars, le préfet de Gaïa devrait se déplacer à Malanville au Bénin en prélude à une visite d'officiels nigériens prévue le 7 mars 2024. Cette visite a été reportée à une date ultérieure. Malgré l'augmentation du prix du gasoil, celui de l'électricité reste inchangé soumis euh, à l'agence par l'agence nigérienne de presse le 3 mars 2024. Oui, Rabi, le Conseil des ministres du samedi 3 mars 2024 a adopté le projet de décret portant prorogation de la durée de validité de la méthodologie et de la structure des tarifs applicables aux usagers finaux finaux du service public de l'énergie électrique fourni par la Société nigérienne d'électricité Nigelec. Il s'agit par le présent projet de décret de proroguer d'une année à compter du 1er janvier 2024 la durée de validité des tarifs actuellement applicables aux usagers finaux du service public de l'énergie électrique fourni par la Nigelec, rapporte le communiqué du Conseil qui annonce ainsi que le prix du kilowatt restera donc inchangé en dépit de l'augmentation du prix du gasoil afin de ne pas aggraver le coût élevé de la vie à nos vaillantes populations déjà durement éprouvées. Et c'est tout pour la revue de presse de cette semaine. Merci bien Rafika. On se dit à la semaine prochaine pour d'autres informations. On se reprend juste après la pause. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, notre tour en musique, toujours pour rendre hommage aux femmes à l'occasion de cette journée internationale des droits des femmes. Le titre Mata du groupe Soga, c'est pour vous, chers auditeurs. qui veut dire euh, les femmes. Et le titre que vous êtes en train d'écouter, cher auditeur. c'est un titre du groupe Soga, l'une de leurs plus euh, grandes euh, réalisations musicales. Cette chanson valorise la femme et elle met la femme au devant de la scène. Elles énumèrent toutes les qualités de la femme. Chers auditeurs, c'était Mata du groupe Soga. Notre invité du jour est avec nous. Il s'agit de Madame Mariama. Bonjour, Madame Mariama. Bonjour. Bonjour, Madame Mariama. On rappelle à nos auditeurs que vous êtes présidente du groupement oui. Mata Barra membre de plusieurs autres réseaux nationaux, internationaux qui traitent des causes féminines. Alors, on vous accueille avec ce titre. J'espère que vous l'avez aimé. <laughs> ça vous dit quelque chose En tout cas, ça me dit beaucoup de choses. Voilà, Madame Ramatou, Madame Mariama. Alors, on veut bien savoir en quelle année vous avez intégré votre première structure féminine et c'était quoi le déclic ah, Merci je n'ai pas intégré, mais j'ai initié et créé en 1991 un groupement pendant que j'enseignais dans la zone, parce qu'on appelle ça zone, ce n'est pas dans la région de Maradi et zone qui est département aujourd'hui de Guidan En 1991, j'ai créé un groupement. Un groupement qui a fait le déclic de la création du groupement Mata Masudupara. Okay. Vraiment. C'était Thier avec euh, les villageoises. On regarde Madame de notre œil. Et souvent, on n'approche pas. Et, la fonctionnaire que je suis, l'enseignante, les autres sont de côté, les enseignants sont de côté. Et tenez-vous bien, j'étais la seule enseignante dans ce village. Et j'ai préféré approcher les femmes et échanger avec les femmes, leur faire venir chez moi. Je dis, je suis une femme comme elle, Et deux fois, je suis même obligée de, de, me comporter comme, elle. elles. Comme eux, quoi. En tout cas, en <laughs> tout cas, y compris la tenue. Y compris la tenue. Je me comporte comme elle. ce qui fait que jusqu'à présent, moi, j'ai ce comportement-là je ne me sens pas supérieure aux autres, je me sens au même niveau qu'elle et elles, se sentent aussi au même niveau que moi. Que vous, voilà. C'est ce qui a fait que vraiment elles ont eu confiance en moi et nous avons créé ce groupement-là et c'était 25 francs on faisait par euh, semaine. 25 francs par semaine on, cotisait et le jour du marché, la veille du jour du marché, j'ai poussé les femmes parce que dans ce village, on n'a même pas, avant c'était le pétrole qu'on utilisait pour, euh, comment on appelle ça Pour la lampe à pétrole. Pour la lampe, oui. Et quand la semaine la passe, c'est un ravitaillement terminé au cours de la semaine, tu n'en auras pas. Il faut qu'on aille jusqu'à Guida pour en chercher. Tu n'en auras pas, sinon on continue dans l'obscurité jusqu'à ce que le jour du marché arrive. Madame a autant d'engagement, deux, d'actions aux côtés des femmes. Quelle est votre plus grande motivation dans cette lutte que vous menez Ma plus grande motivation est de voir les femmes changer. Surtout, j'ai fait le rural, donc euh, j'aimerais vraiment voir ces femmes rurales changer de comportement. Ce qui fait que je les ai poussées à faire le petit commerce très tôt même si la zone dans laquelle je suis est une zone à petit commerce, dans la zone est du Niger, euh, tout le monde sait que euh, les femmes n'ont pas les bras croisés. Elles font leur commerce, mais au profit des hommes. Donc, euh, moi, j'ai commencé à dire, mais si tu fais, pourquoi tu ne peux pas acheter une chèvre pour toi-même Au lieu de donner l'argent à ton mari. Et jusqu'à ce qu'on a commencé à faire une petite tontine, de la tontine, on est passé à euh, de, la, petite tontine, on est passé à la grande tontine. Malgré tout, le montant de la cotisation était toujours 25, francs. Et mhm. maintenant, quand je suis venu en ville, j'ai trouvé totalement du désordre. Parce que là-bas, j'ai commencé à mettre de l'ordre. Et maintenant, de l'autre côté, c'est du désordre que j'ai trouvé. Les femmes en ville s'en foutent chacune de l'autre. Voilà, quelle analyse faites-vous de l'évolution et du travail des structures féminines au Niger De oh. par votre expérience, euh. vous venez d'entamer euh, justement cette question des structures euh, en ville. effectivement, mhm. effectivement, j'ai trouvé des femmes, je dis bien dans le désordre, parce que moi j'ai trouvé et c'était en 1996 quand je suis revenue ici à Niamey. 1996 quand je suis revenue à Niamey je suis dans le, euh, venue directement dans le quartier Bukotikat. Les femmes ne s'entraidaient pas. Les femmes ne se mettaient pas ensemble. Et le déclic a été de faire en sorte à ce que les femmes se réunissent. Comme j'ai fait là-bas en campagne, maintenant je suis revenu en ville pour le faire. Alors, dites-nous comment arrivez-vous à toucher justement ces femmes avec lesquelles vous collaborez dans les actions que vous menez C'est le même style, s'il vous plaît. C'est le, même, le même, système qui continue. C'est le même système, c'est-à-dire que je continue à être comme elles. Je ne dis pas que j'ai été à l'école, elles, elles n'ont pas été, ou encore que moi, je suis X et elles, elles ne sont pas ce que moi je suis. Non, moi je m'intègre dans le milieu et maintenant j'organise le milieu. C'est ce qui fait que vraiment et on arrive à se comprendre avec, avec les femmes que j'ai trouvées. Là-bas, j'ai commencé par dire, bon, effectivement, parce que c'était un quartier très populaire, et dans ce quartier-là, il y avait des femmes qui presque chaque semaine, nous avons des bâtons. Et j'ai dit, mais c'est très bien, mais comment s'entraider Alors, quand la femme accouche, j'ai dit, il faut faire 15 francs pour donner à cette femme-là pour qu'elle achète de l'eau autant d'engagements, euh, plus d'une trentaine d'engagements aux côtés des femmes. Alors comment cet engagement est perçu autour de vous <laughs> Cet engagement est perçu de deux manières. Ok. Il y en a qui trouvent que c'est bien, donc on fait avec elles. Il y en a qui trouvent que c'est non, elles s'abaissent. Ouais. Elles se ramènent au niveau de ces femmes-là, il les traite de ceci, ceci, cela, jusqu'à ce que les gens ont compris que ce n'est pas ça. Parce que notre premier groupement ici à Niamey, nous l'avons créé en 1996. En son temps, là même à l'Amérique, quand vous demandez un agrément, les maires hésitaient à donner en 1996, je dis. Les maires hésitaient à donner. Moi, j'étais parti jusqu'au ministère du Plan pour chercher des textes pour amener au maires pour qu'ils nous donnent l'agrément et qu'il accepte qu'on crée le groupement appelé Wangari. Ce sont les femmes elles-mêmes qui ont donné ce nom à ce, groupement. Et qui vous soutient dans vos actions Quels sont les défis auxquels vous faites face en tant que femme leader Et qui nous soutient Tout le monde nous soutient. Tout le monde, je dis bien. Parce que par finir, euh, les gens ont compris et nous sommes venus, nous sommes rentrés dans les structures MMD ici à Niamey. car nous soutient je le dis haut et vert, car nous soutient. Notre soutien, en tout cas, est financier et même technique, accompagnement technique, c'est CARE international. Et de l'autre côté, je vous jure que l'État fait de son mieux. Parce qu'à travers les structures du, ministère de la promotion de la femme, du ministère de la promotion de la femme et au niveau communal, nous avons le soutien des responsables de, ces services de promotion de la femme. Et finalement, nous avons eu le soutien des mères. partout. Partout où nous avons créé, nous avons eu le soutien des mères. Et en 2003, en plus du groupement, nous avons créé l'ONG encore Wangare. Madame. FED Wangare. Madame Mariama, après toutes ces années aux côtés des femmes, que diriez-vous à celles qui sont engagées dans les différentes structures qui défendent les causes des femmes comme vous ce que je veux leur dire, c'est de cesser les guerres de leadership. Les guerres de leadership, là, il faut les cesser, il faut arrêter. Et chacun peut évoluer, chacun peut avoir sa part. Mais, excusez-moi, le fait d'empêcher aux autres de monter vous empêche aussi de, monter. Quand la femme fait un pas, deux pas, trois pas sur les escaliers, celle qui n'a pas bougé de là où elle est, c'est elle qui prend ses pieds, elle l'attire et donc tout le monde va en bas. C'est cette guerre-là qu'il faut refuser et reconnaître euh, la capacité et la qualité de l'autre. Si réellement, et, comment on appelle ça, l'autre connaît quelque chose dans un domaine et que toi tu ne connais pas, il faut lui reconnaître ça. Il faut lui reconnaître ça. On ne peut pas être excellent partout. Si celle-là est, est, est, est, excellente dans ce domaine-là, toi, tu es excellente dans Dans un autre. Donc, il faut vous compléter au lieu de vous, et, comment on appelle ça au lieu de d'aller toujours en concurrence, en concurrence au lieu au lieu de, de, vous détruire. Merci. Voilà voilà, merci beaucoup Madame Mariama d'avoir répondu à notre invitation malgré votre agenda, chargé. Hein. On se dit à une euh, autre fois, voilà. On se reprend juste après la pause. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Chers auditeurs, pour ceux qui viennent de nous, prendre en cours, vous êtes sur l'émission Le Niger sur Kalangou, co-animée par Rabia Maikano et moi-même Salamatou Kadri. Alors, dans la rubrique entrepreneuriat d'aujourd'hui, nous partons au salon de beauté de Miko Moussa Rama. Rama, elle est étudiante en master de gestion de projet. En charge de ses études, elle est promotrice de son propre de sa propre entreprise Anyame. Miko Miko Rama répond aux questions de Aïssa Hamadou. Je suis maîtrise de l'entreprise Women's Mirror, un salon de beauté et aussi euh, de confection de bouquets d'argent et de box surprise. Les activités réalisées sont le maquillage, c'est-à-dire le make-up, le soin du visage, la confection des bouquets et des box surprises, la décoration des paniers surprises, et valises à l'occasion des anniversaires, mariages, etc. C'était une passion. De base, je suis quelqu'un qui aime faire de l'art plastique, de confectionner des pots, des fleurs et tout ça. Du coup, la confection des bouquets d'argent, c'était une vidéo que j'avais vue sur le net comme ça. La vidéo m'a plu, bon, j'ai regardé, j'ai passé. Après, un jour, mon, ma belle-sœur voulait faire un cadeau à sa maman. Du coup, elle est venue vers moi, elle m'a dit qu'elle voulait faire un bouquet d'argent, si je pouvais le faire. Je lui ai dit bien sûr que je pouvais le faire, donc c'est de là que ça, ça a débuté. De là, j'ai fait mon premier bouquet et à travers ça, j'ai publié, posté, ainsi de suite. Qui sont vos clients J'ai eu tout genre de clients, des étudiants, des fonctionnaires, des ménagères aussi. Donc, tu vois, à l'occasion des mariages et tout ça, ce n'est pas au fait une catégorie. Les clients sont, sont diversifiés au fait. Comment accéder à vos services C'est des services sur, sur rendez-vous. Par exemple, maintenant, quand une personne veut un bouquet, il, il prend un rendez-vous. Du coup, je, je confectionne le bouquet avant. Mais le maquillage est fait instantanément. Dès que la personne appelle ou bien la personne vient, on lui fait ça. Les box surprises aussi, c'est ainsi. Quand on veut décorer, la personne elle amène, par exemple si c'est un panier, les articles pour décorer sont là, disponibles. Du coup, on peut faire la décoration instantanément. Est-ce que c'est rentable On ne gagne pas trop dedans, mais comme je vous ai dit, c'est une passion. Donc, si on le fait, le peu que je gagne, je suis contente de ça. Et aussi, ça ne fait pas longtemps aussi que entreprise a commencé du coup. Pour parler des, bénéfices concrets, il faut dans, dans l'avenir peut-être. Quel conseil aux jeunes qui nous écoutent actuellement Le conseil que moi je peux donner aux jeunes, c'est de ne pas hésiter à entreprendre. Si la chose que vous faites vous passionne, parce que c'est à travers la passion que tu peux supporter. le travail aussi, ça demande beaucoup d'efforts et d'énergie. Parce que moi, deux fois, je peux rester travailler jusqu'à 4 heures du matin je reste à le faire. Donc si je n'étais pas passionnée, je n'aurais pas le courage de faire ça. Donc je conseille beaucoup aux jeunes d'entreprendre et aussi d'être passionné de ce qu'ils entreprend parce que ça aide beaucoup à maintenir le cap. Cap sur Tawa pour le reportage rejoint le groupement Adalti de Tawa est spécialisé dans la transformation du lait en général et surtout dans la production des produits phares de la région, le tchoukou, qui est une sorte de fromage. Notre correspondant Idrissa Adamou s'est intéressé à leur activité. Suivez son reportage. shekaru takwas da gurfe ma adalci na mata suka rungumi sana'ar sayan nono daga wakilansu da ke tattaro musu shi a hannun masu dabbobin garuruwan kewayen taawa kuma su sarrafa shi da kayan aiki na zamani haɗe da na gargajiya don kiyaye lafiya da tsaftar zuwa ciku da sauran ababen amfanin yau da gobe kamar ga yadda zainabu bizo takardan gurfe ma adalci da ke anguwar geben zogi shi da'ira ta biyu nan tawa ta yi bayani akan tafiyar aikin nasu ƙungiya ta mu abin da a mu shekara takwas wannan aiki nono yana zawa muna transferin shi ga wuni abin da ke shigo mu litar 250 da hamsin ko 230 da talatin suke shigo mu ga ini muna transformin shi akan saura suna taya yawur saura suna taya ciku saura suna taya lefure ga mashaya nono abin da yake kama mana litar daga inda ake ɗauko shi dala tamanin mu ko mun kai transformin da litar guda yana ba da ciku guda muna sai da shi 120 da shi ko yawur muna sai da litar kin shi ba muna sai da jimikin shi dala ɗari laifare shi ko muna sai da shi dala ɗari. Yanayin shigowar zafi ya haddasa karancin nonon da ake farauto musu kuma wannan bai hana ci gaba da gudanar da sana'a tasu ba da ke samun karbuwa matuƙa ga al'ummar tawa cikin ƙasa har ma da wajenta. In akwai nono ba lokacin rani ba muna transfer mil litir ɗari uku har abin da ya kai sama shi ne sai yanzu ga lokacin da muke a ɗan samka ne cikin ranin an kawo mana kayan aiki na auna aunen nono illa he shalau babu matsala wannan wuri muna da wannan wannan foro mun same shi ga furoje daban-daban ka aikin mu muna da na gargajiya muna da na zamani cikin gana mu babu inda bai shiga ana sayan shi tawa nan dai cikin Nijar ma babu inda bai zuwa kuma yana hita kasar waje Nigeria sai da ana kai shi Tunis America France wannan kokarin nasu ya ba da damar ɗaukar nauyin kungiyar da bukatun su tare da keɓe ragowa a cikin asusun urfiman adalci in wata ya mutu kowane producteur yana da kayyakin shi ya zamna a lisawa abinda madarar shi ta kama a biya shi shi ma kolaktar ga abin da kuɗin shi sun ka kama a biya shi in muna da wasu bukatoci bai zuwan kinmu na kayan transformation mu sai mu ma mu hudda mu kowa dai wanda addabiyan shi a bashi sannan mu kai saura banki mu yi ajiya. ma adalci na horar da matasa domin mai gurbin su sai dai suna fuskantar 'yan matsalolin kayan aiki da sauran nasu. To mun samu buɗe cibiyoyi na matasa wanda ke zauwa su ma muna formin su suna son su buɗa sauran ma sun buɗa wannan aiki yana biyan mai shi alhamdulillah tun da duni mun biya ma ɗiya lakwal mar armasuwa ko yanzu ma dai muna son karin kaya aiki saboda wannan aiki na mai ci gaba na zamani Chers auditeurs, il est 11h passé de 34 minutes. Si vous avez raté le début de l'émission, vous pouvez la retrouver sur notre site web www.istudiocalango.org ou sur notre page Facebook. Alors, nous sommes avec euh, Hassoumi Grouza qui nous vient avec euh, la page sport. Bonjour Hassoumi. Bonjour Rabi. Bonjour Salamot. Alors, avec quoi allons-nous débuter cette page sport de ce vendredi eh bien, Rabi, euh, je profite euh, de ce micro pour souhaiter bonne fête à toutes les femmes du monde entier. Elles sont nos mamans, nos sœurs et nos épouses. Merci, Assoumi. Asumi. Alors, pour euh, l'essentiel du sport, nous commençons par le programme des matchs internationaux du MENA national du Niger qui disputera deux matchs amicaux au Maroc. Euh, le premier match euh, se jouera le 22 mars euh, contre le Togo stade El Mohamedia du Maroc et le 26 mars contre le Burkina Faso. Pour la même occasion, le nouvel sélectionneur de l'équipe nationale, Badouzaki, annoncera dans quelques heures la liste des joueurs convoqués pour cette journée FIFA. Il y a eu également le tirage au sort de la Coupe nationale du Niger édition 2023-2024 Oui, Salamoto, euh, les 16e de finale débuteront après le mois de Ramadan. L'un des chocs de ces 16e de finale, ce sera le match entre l'AS Nigelec et l'USGN de la gendarmerie alors Rosa, pour finir, nous irons à Kyoto pour un tournoi de football interscolaire. Ah oui, nous allons quitter Niamey pour Kyoto. Ah, <laughs> ça s'est déroulé euh, euh, le tournoi s'est déroulé du 22 du février au 6 mars, l'ensemble des classes de l'établissement du CES Rauda, y compris, euh, ont pris part. Objectif du tournoi, c'est la promotion de la cohésion, la sociale et la solidarité au sein de l'école. Kureshi Moussa est le président de l'organisation euh, de ce tournoi de foot au micro de Barhamou Hassoumi. L'objectif de ce tournoi-là, c'est pour euh, la paix, la cohésion sociale et le développement du sport dans la commune de Chota. C'est que nous avons plus de trentaine de classes. je suis l'organisateur euh, de ce tournoi. On a fait à peu près neuf équipes euh, pour, pour, ces, pour ces établissements pour qu'on puisse jouer rapidement ce tournoi-là. Donc, raison pour laquelle on a euh, réduire les, euh, les classes. Chaque classe qui n'est pas une classe d'examen, on les a jumelées pour qu'on puisse faire euh, une équipe. Maintenant, les classes d'examen, on les a fait chacun, chacune a une équipe. Raison pour laquelle on a eu neuf équipes qui se sont affrontées aujourd'hui. Donc voilà, nous sommes au terme de, de, ce tournoi, l'équipe du second et l'équipe du terminal. Donc le terminal, c'est le terminal traditionnel et les secondes, les secondes sont jumelées. Il y a les secondes franco-arabes et secondes traditionnelles qui se sont euh, jumelées pour faire une équipe. Donc, euh, équipe euh, de seconde a remporté la coupe aujourd'hui. Donc, les cadeaux pour les champions, il y a une coupe pour, le, pour la première place et une enveloppe, je pense bien. Maintenant, la deuxième coupe pour le second, le vice-champion. On n'a pas assez de moyens, raison pour laquelle on n'a pas prévu la troisième place et la quatrième place. Ouais, voilà, c'est l'entraîneur euh, Moussa Kouresh, euh, le président de l'organisation de ce euh, tournoi de Chota au micro de Bakhamou Hassoumi. Voilà pour ce sport d'aujourd'hui. Merci bien Hassoumi, on se dit à la semaine prochaine. Alors place au portrait du jour à présent. Aujourd'hui, nous vous présentons une femme. Elle est consoeur journaliste qui milite pour les droits de la femme, notamment la femme journaliste. J'ai nommé Amina Nyandou, portrait réalisé par Akia Arimi. Âgée de 49 ans, Amina Nyandou, présidente de l'Association des professionnels africains de la communication APAC section du Niger, est aussi une femme battante qui milite pour les droits des femmes, un combat qui a vu le jour de son bas âge. Elle nous raconte. Ma motivation, elle provient de, de ma cellule familiale. Euh, je suis ici d'une famille de 10 enfants, dont 9 vivants. Et sur les 9 vivants, sur les 10 globalement, nous sommes 8. Et je pense que le fait que nous sommes majoritairement filles a joué beaucoup euh, sur ma condition actuelle. donc du coup, toutes ces choses-là euh, m'ont amené un sentiment de défendre la cause des filles. Déjà à l'école, à l'école primaire, j'étais la déléguée pratiquement de, de mon école primaire. Quand on, fait des choses, on, nous déléguait toujours pour aller prendre la parole. Ou, au collège également, euh, c'est avec nous que la section collège-lycée a commencé. Donc euh, j'étais militante et particulièrement j'étais euh, l'une des rares filles à, à, piloter un collège. Donc j'étais présidente euh, de collège parce que c'est l'année-là qu'on a eu l'idée, avec le nombre des filles, de faire des présidentes uniquement pour des filles. Amina Nyandou milite dans plusieurs associations qui se battent pour les causes de la femme. Je suis membre de la Congafet parce que est membre fondateur de la Congafet, le collectif des organisations féminines du Niger des ONG et associations féminines du Niger. J'ai aussi d'autres activités pour ma passion de servir également ma communauté. Je suis membre de, de, Rotary International et donc Rotary Niger. Euh, je suis membre du club Croix du Sud Niger. Euh, je suis membre de Toastmaster. Toastmaster, c'est un mouvement qui permet d'améliorer notre capacité de prise de parole, de leadership, machin. Donc, je suis membre de Toastmaster également. Madame Amina s'est dit satisfaite de son combat. Ah, j'adore. J'adore ce que je fais. Peut-être que c'est intrinsèque, la passion que j'avais, que j'ai pour les femmes, parce que je l'ai toujours. C'est pour ça que, à un moment donné, j'ai arrêté de me, de me présenter comme experte genre. Je me présente euh, juste comme un féministe. Je suis féministe dans l'âme. Je me bats pour les questions de femmes parce que maintenant, avec l'évolution, les gens font l'amalgame genre. Les gens pensent que c'est le genre, euh, c'est fourre-tout, machin. Non, euh, moi je préfère dire que je suis pour les droits des femmes, je défends les droits des femmes, je fais en sorte que la femme soit valorisée. Ses collaborateurs, Amina Noma, chargée de programme à la PAC, et M. Massaoudou, apprécient le courage de Mme Amina Nyandou ce qu'elle fait dans sa vie qui elle est. C'est pour cela que je dis waouh. Madame Amina Nyendo, c'est une femme exceptionnelle, c'est une femme battante. Et je vous assure, euh, dans toute ma vie, moi je n'ai pas connu de femme pareille, femme battante, femme qui lutte pour, euh, pour son prochain, femme qui, qui défend les autres. Vraiment, c'est une femme exceptionnelle. Et sincèrement, au début, je n'avais aucune idée de ce que c'est que la gestion de projet, ce qu'il faut faire, la rédaction de termes de référence, faire des budgets, tout ça là sincèrement, j'ai tout appris de cette femme. Elle m'a tout montré. Elle a été très patiente avec moi. Vraiment, aujourd'hui, je peux dire que je lui dois tout. Et je disais, je suis à Pâques depuis 2016. Aujourd'hui, c'est, nous sommes en 2023. Regardez le temps que ça fait. Elle nous pousse à aller au-delà de, de nos limites. Des fois, on trouve que c'est dur, on ne peut pas y arriver, mais quand même, elle nous aide à aller de l'avant. Sincèrement, Madame Amina est un très bon mentor. Je remercie le bon Dieu de l'avoir croisée sur mon chemin <laughs> dans ma vie. oh, c'est une femme d'exception. Hein. Je sais que c'est une femme très battante franchement. J'ai eu plusieurs fois l'occasion de travailler avec elle des heures, des heures, des heures et des heures. Ça, moi, je suis actuellement, je sors de l'une de ses activités. J'aime des choses, euh, des attitudes qu'elle a dans la collaboration, c'est-à-dire elle est franche, elle dit ce qu'elle pense, euh, elle débat, elle donne ses arguments, elle sait défendre ses idées. Chacun a un talent dans la vie qu'on le connaît ou pas, c'est un renforcement des capacités et un accompagnement qui peut faire en sorte que ce talent émerge pour que les autres le découvrent, déclare Madame Amina Nyandou. Au Niger, les femmes sont une majorité, c'est à elles de se battre pour avoir cette considération. Chers auditeurs, direction Doganduchi pour notre dernière balade musicale. On écoute l'orchestre Akazama avec le titre Mata. La femme, un une récompense.

shi yana taushi ga wani da kwafilan shi daidai da jiki ne ya sace yana kumbura abokai na kallo ashe yaro ba mutum ba sai in ya girma a koya mishi tarbiyyar da ke umani ne mata kadan ba kullum a cikin gida hakin nasu la laisse. Eh Celui qui aime sa femme et son enfant s'aime lui-même. Et eh, juma, Quand une femme se sent aimée par son mari, elle éprouve un sentiment de joie et de liberté. Quant aux enfants, ils se sentent en sécurité. Voilà, chers auditeurs, c'était l'orchestre Akazama le loti d'aujourd'hui porte une pratique de certains hommes qui empêchent à leurs femmes d'aller voter. Au Niger, certaines femmes ne peuvent pas agir sans le consentement du mari, notamment quand il s'agit du vote. Pourtant, le vote est un droit. C'est aussi un acte citoyen qui permet de choisir ses représentants lors d'un scrutin. Écoutons cette discussion des femmes du studio Kalangou sur le sujet. matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji Assalamu alaikum. Hamsatu, barka. alaikum wa shida ya kike alhamdulillah lafiya ta lau kefa ya iyalin naki kowa lahiya shi lau wallahi to muke labari ne ba wani abun labari sai dai inda ga bangaren ki to na dai babu wani abu dai da dumi-dumin shi kawai dai na yi neman kati na na dan zabe ban gane shi ba kuma na ji cewa kamar ya kamata a ce mu yi zabe mu da ke ketare yan Nija. hai ke kin je ma an rubuta sunanki balle ma ki je ki yi zabe eh mana saboda a matsayina na 'yan ƙasa hakina ne kuma incina ne a ce na yi rajistan kaina kuma na je na yi zaɓe kada ki ce min baki yi shi ba a'a ban yi ba kuma ban da maniyar zuwa yin zaɓe. A'a don me yasa? Dalili na mai sauki ne kuma guda ne, kuma hallau na gwammaci in riƙe ta bana son haɗinta. ‘Yar uwa, da Allah mai da wuka, ki kwantar da hankalinki ba wani yaƙi ba ne ina neman kwatanta miki ne da nauyi ne da ya rataya a wuyanki a matsayinki na yar Nijar duk da yake ba a Nijar kike rayuwa ba da ki je ki zaɓe kuma ban ga abin da yasa ni zaki ɓoye mini wani abu ba a matsayina na yar uwarki. Na sani yaya amma ku kuka mini gargaɗin cewa in iya riƙe sirrina musamman ma na tsakanina da mijina. to ban ga abin da yasa sirrin da tsakanin kike da mijinki bai haɗu da wannan zancen zaɓen. Suna haɗe. ban gane abin da kike nufi ba kin san mijina ne ya hana ni kwata-kwata ma in je in rubuta kai na balle ma wai in je in yi zaɓe a'a wasa kike yaya babu wasa a cikin wannan zancen mai mahimmanci shi yasa na ce miki na gwamnati in riƙe wannan zancen ki haƙuri ƙanwata magana ce ke ɗar min kai kuma gaskiya ne hakan ni ba nan ga ganewa a ce ɗan ƙasa kuma wanda ya karatu mai ilimi yana irin wanga tunani kamar mijinki. Ni ma hakan gaskiya ban ni nan ga ganewa. Lokacin da ya hana ni na tambaye shi me yasa bai bani wani ƙarin haske ba aka. Ai da ko ya kamata ki matsa don ya baki haske da dalili saboda ban ga abin da yasa zai hana ki ki zai ki cika aikin ki na ɗan ƙasa ba. Yayi wallahi ban san ba me zan ce akan wannan zancen. Amman ko ya kamata a ce kin sani saboda duk da yake yanzu lokacin ya daga ya kure amma ya kamata ki neman jawo hankalin shi don ya samu ya bar ki zaɓe nan zuwa gaba. To yaya yaya zan yi? Da farko ya kamata ki san dalilan da suka sa ya hana ki ga ke ma ki samu ki ƙara bashi haske bisa kan mahimmancin zaɓe. To yaya gaskiya ma ni da kaina ban san mahimmancin wannan zaɓen ba sai yanzu da kika haɗi mini. Shi ya sa ma da ya hana ni ban ma yi wani ja in ja da shi ba na yi zamana. to buɗe kunnen ki je duk ɗan ƙasa duk ɗan Nijar ko baya rayuwa a cikin ƙasar Nijar da ke waje yana da inci da alhakin sa kanshi cikin harkar siyasa ta ƙasar shi ma'ana dole ne ya ta yayi zaɓe kun babu wanda isa ya hana shi wannan incin Ya yayi waikin manta mijina ne kuma shi yake iko na na san da wannan amma ya kamata ya dai barki ko da zaɓen ne ki take ya kamata gaskiya ku yi magana a kai ke da shi. To yaya ba matsala. Na gode da wa'annan shawarwarin da kika bani da kuma hasken da kika bani akan wannan zancen. Zan yi magana da shi insha Allahu daga ya dawo. To ba matsala muna tare. To zan bar barki marice yayi. To bari in ɗan raka ki mana. A zaman ki gidanki. To shikenan sai wata rana. bien les filles, c'était le loti de l'équipe femme du studio Kalangou. Passons à la prochaine rubrique de la culture linguistique pour vous et ça sera avec Habiba Ahmed du desk Tamashek qui nous en dit plus sur la radio. Bonjour Habiba. Bonjour Rabi. Bonjour, Bonjour Bonjour Habiba. Eh oui, les mots du jour est radio. Je m'en vais vous expliquer ce mot en tamashek. Radio aussi les soins français, c'est moi c'est kofara fait. تفانسلان يموسا دغتاكيتين ونسا سجران ونتاغري ونسلميدان ون الخوريان واد فلا دسنا أرتوي تجين المثال تك تتقلت سيخت تيغورت ندنيت أرتواي تيجين الشغل انتوغاس انتين وادرتن تسانا مراديو تلاتن فازورة فزور الدخ تيغورت ندنيت اواد فراغاش السن أرتواي تيجين تجن يكلتانا تيت يغرتنت كلو أستلنا التورنا من دخي تكسن المثال اواد فراغات تجزني سلام في الراديو يسن يسنتنا دنتين زيكل يوغن تورنا تيهنن أقرون تو إسلان فيلا زي موسانا نايمالا نارتن دخ راديو artoa heda wannan radio talatin fazo wurat fel way qale zabzabin na zaman awadi fraga jisus mi radio dakh telefonet me da dakhtarit zabzabin na zaman ashila nin takkai ta hanan ni studio kalangu tasta so samam denan amarda asto dedam www.studiocalangu.org. Merci beaucoup. Je suppose qu'on a fini. C'était super cool. Hein? Merci à Habiba. Okay, Cher... Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiterez avoir l'explication en anglais, en haussa, en germain, en tamashek ou en fulfulde, n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. Et merci encore euh, de l'intérêt que vous portez à cette émission. Vous êtes nombreux à nous envoyer vos messages que je vous propose d'écouter d'ailleurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barka. Da farko dai suna na Mamman Salisu Sani wanda ake kiran shi Dozaman Taksimoto Tribunal Official shugaba ne na kungiyar masu kira da sauraron radio na Afirka reshen jihar da magaram. To alhamdulillah gaskiya ba abin da zamu ce da studio Kalangu musamman ma irin rawar ataka da take nunawa take jajircewa danganta da al'umma na birni da na karkara vraiment ba abin da zamu ce sai dai godiya sai dai mu kara mata karfin gwiwa dangance da irin damammakin da take bada kuma tana ka gudunmuwarta na ci gaba al'umma ga baki daya musamman ma na fannin bangaren mata da ake wayar musu da hankali jan ya zamanto sun dogara da kansu saboda sana'a sa'a rishin sana'a rishin sa'a mare na kaɗan aka ce ɓarawo ne idan ka tashi ba ka rena sana'a kaɗan ko mun kankanta ta kai ta don ka dogara da kanka gaskiya irin wannan eh, abubuwan da kuke badawa gaskiya ba abin da zan mu ce da ku sai godiya saboda kuna nuna rawar ataka a zo a gani kun yi rawa a zo a gani kuma a nawa tunani a nawa ra'ayi kuma dangantar da wannan sabuwar shekarar da 2024 a nawa shawara na tunani ya kamata a ce studio kalangu kun buɗe wani kulabu wanda zai zamanto 'yan uwa da amina arziki na birnin da karkara don su dinga tofa albarkatun ba su ko kuma suna ba da bayanin su direct tsakanin kurasu ina gaida alkasim baba liman jihar agares wanda president ne masu kira sauran radio na afirka ina gaida mamman sani man ina gaida kabiru sula usman ina gaida malam habu kwalliya ina gaida hamisu mai dan kuka ina gaida isufu madatai sanusi madatai da dukkan mambobinmu maza da mata kulub da fara na jihar da magaram lalle kalangu mu ba mu da wata matsala saboda mu kalangu kullum mu a sauraron ta kuma mu abin da an muhimmanci gare mu labarin da ta kai da kowane harshe kaga akwai haɗa kenan ba ka je harshen zabarmanci ko na hillanci ko na ko na hausa suna yin su suna turanci kuma duk labarun da sun ka suna maimaita su ƙara da ƙaro kuma bisa harka asfar na ga ba wasa kana samun sakamakon balo gare su baka same su ga radio Nijar kaga wata karuwa ta garin mu to lalle shirin da ka burge ni gudana zuwa biyu bisa ga al'amuran ta kai nan nan bisa ga radio tambara muna jin daɗi tana ba da labaru saboda wasu labaru wanda ma ba mu san da su ba kalanku tana ba da su kuma muna allah allah lokaci shi mu ji labarun da da take yi kuma muna amfani da labarun sosai da sosai sai kuma bisa ga shiri kuma guda wani ta kai na aje fada wannan kuma shi ya burge mu saboda muna da matsayi Vous écoutez le Niger sur Kalangou. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangou vous écoute. Message des auditeurs. Chers auditeurs, nous sommes à la fin de cette édition de votre émission Le Niger sur Kalangou. Vous étiez en compagnie de Rabia Maïkano et moi-même Salamatou Kadri. On se dit à 17h pour notre programme de 2 h qui débutera avec la grande édition. Merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle qui ont rendu possible la réalisation de cette émission. Très bonne fête du 8 mars à toutes les femmes. On vous laisse en bonne compagnie musicale. 8 mars 2024. Journée internationale des droits de la femme. Semaine spéciale sur Studio Kalangu Investir en faveur des femmes. Accélérer les rythmes. Nous ouvrons nos micros aux hommes et aux femmes concernés. Du 4 au 10 mars, suivez nos forums à partir de 18h15 Investir en faveur des femmes. Accélérer le rythme. Studio Kalangu au rythme du Niger.